waxna naa waxtaan nañ fi ñun ñëpp sur la forme. effectivement. sur forme bi depuis le début jusqu'à présent. Mm-hmm. ku nekk wax nga sa position wax nga li nga xalaat mais on va maintenant si fu nekk ni ñu ngi si dans le fond. Mm-hmm. te dans le fond ñun ñëpp xamuñu ko. tout à fait. Mm-hmm. ñi ko seq rek ñoo ko xam ñu bàyyi pour que ñu dem ci dans le fond d'autant plus que ce dossier là Dieu merci les deux les principaux concernés. nous, ñep dañ né nañu dem procès. aji sar waxnako attaqué ba sur suñu presse ba attaqué suñu justice. Donc la justice nous defuñu riposte comme réponse comme nous ñoom né je comprends mais c'est ça elle a elle a utilisé les médias internationaux en s'attaquant à notre justice.

d'une manière boo xamante ne c'est pas justifié nit ñi da ngay dem benn moment ba waxatee duñ la déglu mm-hmm. on ne personnalise personnalise pas ce problème là c'est un problème sérieux mba wax na ko quatorze mois moo ci am mais boo jëlee nit en tant que avocat yow ñu choisir la ñu la yor seen avocat seen avocat waxul yow chaque minute yaa ngi wax là aussi ça pose problème ça pose problème d'autant plus que yow attaque yi ngay apporter chaque fois c'est des attaques personnelles <laughs> moom war a na dépasser loolu nekkatuñu si logique boobu dafa am yoo xamante ni ne boo nekk ci yenn position boo ko defee nit ñi da ngay dem ba benn moom loo waxati sax dañ naan kii lu mu wax intéressé wuñu parce que xam nañ ne lépp lu muy wax day acharné wu ay rebelle la ay di nit ku baax ay li ak li loolu bokkul ñun ci suñu éducation ça ne fait pas partie de notre éducation te loolu aussi lu ñuy ñaawlu la dañ koy ñaawlu parce que yooyu dafay wax nekk wax yoo xamante ni waroo ko wax Donc, autant aussi, j'ai dit ici devant tout le monde à Sonko oui. qu'il ne devait pas défier la justice, ni la gendarmerie, ni la police. Absolument. Effectivement. Il ne devait pas le faire. Parce que vous tu aspires à être président de la Tu veux demain diriger ce pays-là, même si tu es vous ben le contraire parce que tay yalla def na ñu mettre sous contrôle judiciaire dem di Vous waxal ne man respecté ba malgré j'ai été inculpé mettre moi sous contrôle judiciaire pour wane la je respecte la justice de mon pays je ngi dem di ñëw kooku dañ lay naw hmm. mais des waxee ne dematuma cette jurisprudence man mën utiliser Omar Faye que ce soit en un moment donné ñu def ma sous contrôle judiciaire ñu ooma na ma kaa signé may leen je ne signe pas ñen ma pourquoi may len parce que amna ben benn justiciable bu signéwul woon donc fay doon yoo xamante né je peux comprendre parce que on est dañu une ci situation mais c'est des choses à défier même la police et la gendarmerie parce que quand il dit que le colonel Fall, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que le, ce qui est qui, au commandant Moussa Fall, nous dit gendarmerie, c'est parce que am na loo position yoo xamante ni moom la tiin amoon. si hmm. problème yi amoon moo tax ñu daax ko. mais yoy les gens ne connaissent pas. <laughs> loolu de ci dara woon. voilà yoy, duñ ñii duñ ci débat am na yoo secret d'état la. Hmm. dina am lu ñuy xam sax ñun te duñ ko wax. Hmm. parce que dafa am le xamante ni ne na créer mën na jouer sur suñu souveraineté. Et on l'évite parfois. Parce qu'il faut nous ramener actuellement. Ça veut dire quoi Qu'avec son rang, euh, euh, il y a Oui, bien sûr. Ça veut dire que quel tignon nous avons Moussa Fall Moussa Fall le individu. Mhm. Avec le départ, le limogeage de, de, de Tine. Quel nous À trois mois de sa Non, non, non. À trois mois. Est-ce que c'est la première fois aussi que je suis Lan non armée lu ñu respecté la armée du vous bu situation à am non tax mais dama bëgg wan nit ñi ne mhm. Rien mi citoyens. les hommes politiques ils ne sont pas majorité dans ce pays. Hmm. ils sont minoritaires. alors que ce qui s'est passé maintenant il faut que les citoyens d'une manière générale. Mhm. se mobilisent pour dire que plus jamais ce qui se passe. ce qui se passe il faut que une justice. Mhm. si tu sais pourquoi. peut-être on va y revenir. mais ce qui s'est passé avec le cas Karim Wade sur l'affaire de la création, il nga a un lañ qui a jàngat bu ci Sénégalais on am que c'était 25 personnes ou 26 personnes moom rek ci top. ce qui s'est passé aussi avec l'affaire de Khalifa Sall où c'est lui seul IG il y a combien de maires yo xamante ils ont été aujourd'hui inculpés mm-hmm. épinglés mm-hmm. par les rapports de l'IG et qui n'ont pas été poursuivis bari na fi donc jaaru singal yoyu aussi bu amé il pense que qui c'est un leader ça peut fragiliser le régime comme le cas de Sonko donc vous vous am problème même si c'est un problème privé parce que ça n'a rien à voir ça c'est entre l'état et un privé. Mhm. ça c'est entre privé mais nit ñi mën nañ ñaw njort. Mhm. effectivement té ñaw njort nous day indi tay nit ñi am ben position moo justice ken waru ko tout à fait. bu ko même bo réew même si aujourd'hui on te demande d'auditer un régime ou quoi que ce soit il faut pas le faire par euphorie il faut le faire intelligemment. Et ces deux cas-là on fait aujourd'hui que situation bi bien ñu nous il faut nous éviter dans l'avenir. d'accord c'est important alors cher euh, justement même par rapport à la justice hein, peut-être de ne semer le doute euh, ci comme fait yinga nga yi mais suñu nous ba ci biir également ñi ne ci justice ci beaucoup pointer du doigt la justice donc euh, je me dis que citoyens, d'une autre part da ngay que dos au mur par rapport à ça. absolument et puis euh, comme euh, comme dans ce siège, mm-hmm. euh, Cheikh Wade était un jeune tailleur sénégalais. parcelle -hmm. euh, le 8 mars il a reçu une balle euh, dans la tête. Mm-hmm. Mm-hmm. le rapport d'autopsie a conclu à un décès dû à un traumatisme crânien par projectile d'arme à feu avec fracas des os délabrement cérébral hémisphère gauche et hémorragie interne et externe. sa famille avait déposé une plainte par le biais de son avocat le 26 mai auprès de la cour d'appel auprès du procureur général de la cour suprême y mhm. ak a 13, on n'en parle pas c'est-à-dire pour moi, on ne doit pas banaliser la mort mhm. surtout dans ces circonstances on déterminer les responsabilités sur fait que que ñu enquête ne serait-ce que pour nous, nga mhm. que justice soit faite pour ça et que mu bañ mel ni comme nous, nous donnons mel je le dis tout le temps stade de Diop il bi y a des jeunes qui sont décédés personne n'est responsable Batolo Diola personne n'est mmh. responsable. justement. Euh, étudiant Balla Gaye Fallou le et cetera jusqu'à présent il n'y a pas voilà donc loolu est na si de góomu justice. Euh, le juge Deme maa ngi ko gis le juge Deme dem il a démissionné d'une justice qui a démissionné c'est-à-dire tey ci nu ñu tëggee sax. si sunu système judiciaire dafa am ay yu ko tënk parce que tey l'exécutif est trop présent ci ci sunu système judiciaire et tant que defuñu réforme yu approfondie ba nga xam ni au conseil de la magistrature ki ñuy tabb du fi nekk koo xam ni président moo koy tànn wala président dina ci bokk après ñeneen ñi ils vont dire on ne peut pas Euh, un régime euh, des magistrats etc. mais tant que l'on il du dindi suspicion bi donc de Senghor ba ci en passant par Abdou Diouf nous gu fi da nga utiliser mhm. levier de nga justice pour voir doole ñi nga xam opposants on va faire peut-être après le bilan de Maxal, même si on peut pas le faire ci une minute mhm. mais beaucoup na eux li retenir par rapport à l'instrumentalisation de la justice vis-à-vis de ses adversaires politiques. <coughs> C'est ce que les Sénégalais ont retenu. Mhm c'est de la caricature mais c'est une évidence quand sur le dossier Karim Wade etc. etc après euh, dossier Khalifa euh, même chose parce que la flemme concerne. alors mhm. ici man euh, xawma ndax mo vous am dictionnaire mais c'est un dossier politico-juridico-médiatique <laughs> politico-juridico-médiatique c'est un dossier qui sera politique parce que concernant des politiques qui far ak qui ci usage politique qui ak moom utilise utiliser levier politique médiatique parce que c'est une bataille d'opinion chacun va essayer euh, d'occuper l'espace médiatique euh, Benen bi euh, juridique parce que quand on est, di d'habitude des femmes, ñu doon mais bataille d'opinion est-ce que ça va peser sur la balance. oui mais je pense que des dossiers politiques concernant des hommes politiques c'est une bataille d'opinion d'abord c'est du droit etc mais bataille d'opinion bi engagé c'est grâce à cette bataille d'opinion mm-hmm. que Ousmane Sonko euh, fanaanul rëbës s'il n'avait pas réussi euh, la bataille d'opinion pour mobiliser des Sénégalais autour euh, de sa cause après on va y revenir est-ce que y a une jonction qui na na déclencheur mm-hmm. ça ça a toujours existé dans cette bataille d'opinion n'est-ce pas un hein, procureur de la République fii le toog ay c'est une bataille d'opinion non quand adversaire bi. benen bi bu wax procédure. certificat médical pays da ngay ubbi les léegi gis ko audition tay tay tout de suite toute la presse pour recevoir le PV du jour. c'est grave. madame ñu woo la auditionné la tay ñu jot PV bi tay mu am fu mi sen yooyu ay problème la yo xamni nek na système man lima ci intéressé. Mhm. comme vous avez dit euh, ñun pour la manifestation de la vérité pour que justice soit rendu uniquement que que ñi nga xam qui lisent le droit point Ousmane Sonko a intérêt procès am parce que c'est une question d'honneur et de dignité qu'il doit laver pour que étiquette boobu bañ a tegu ci ndoddam Adji Sarr aussi a intérêt pour que procès bi je donne un exemple Nous ñëpp doon nañ au élection Miss Sénégal et n'est-ce pas la Miss avait dit qu'on avait violer mm-hmm tous ces défenseurs parce que tout simplement il n'y a aucun fait pour matérialisé matérialiser donc on a une situation faudra prendre du recul pour que nous organiser et que surtout situation on a besoin d'apaiser le climat social maintenant euh, vers des élections vers des joutes des années euh, adversité bi dafay gën tendre et kenn du may sa sa morom dara ku ci occasion pour liquider ton adversaire malheureusement c'est une perception que les Sénégalais ont de la de la justice par rapport à des dossiers politiques alors Abdoulaye Mbow dafa wax tout à l'heure ni que peut-être politiciens dañ ñoy ñoo euh, euh, on a comme l'impression parce que euh, suñu gissé autant de personnes qui ont perdu la vie ci li on a l'impression que procès bi ñi wax li ñu gëna soxal tay ji moy procès Ousmane Sonko Adissar te gis nañ ko Cheikh Omar mu ngi koy rappelé tout à l'heure il y a eu beaucoup euh, euh, d'activités il y a eu des manifestations entre autres euh, pros de nous situer les les responsabilités est-ce que c'est pas la faute entre autres des politiciens parce que ces jeunes se battent des fois pour